Oh là là là là là là là là là là Il y a un joueur qui est blessé. Attendons de voir ce que ça va donner. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais il me semble que c'est une blessure sérieuse. Il me semble que c'est une blessure sérieuse. Mais attendons de voir ce que cela va donner. Puisqu'on a vu que quand le jour est tombé, l'arbitre n'a même pas attendu une seconde pour appeler les secouristes de venir très rapidement venir s'enquérir de l'état de santé du jour de Kherou Alors, heureusement, plus de peur que de mal, le jour s'est relevé et euh, la, partie va reprendre son cours normal. Attendons de voir ce que l'arbitre va donner comme carton. Il est en train de parler à ce jour de l'AIC Ngaparou pour lui dire de faire très attention par rapport à ce qu'il vient de commettre tout à l'heure, puisque les décisions de l'arbitre sont sans appel. L'arbitre a le pouvoir discrétionnaire. Donc, s'il décide de vous donner le carton rouge, on ne punit rien. Ça veut dire qu'il faut se plier à cette décision. Heureusement, qui n'a pas sorti le carton rouge, mais le carton jaune. N'est-ce pas Le coup franc est parti. Et c'est la sortie du gardien. Ousmane Sen Il préfère jouer du pied. Ousmane. Il y a Momo Sarr qui demande non. Le capitaine Sherif également. Attention. Doucement. Carton. Carton jaune. Ah oui. Ça chauffe. Ça chauffe sur le terrain. Ah oui deux cartons donnés de suite. Il a donné au numéro 5, celui qui a commis la faute, et également au capitaine de l'AIC le capitaine qui contestait la décision. Et là, il faut faire très, très, très attention avec l'arbitre Lamine Gomme. Sinon, ça risque d'être compliqué pour l'équipe de l'AS Ngaparou. Ah oui. Du côté de Ngaparou, ils sont au nombre de 4 pour le moment. 4 cartons donnés du côté de l'AS Ngaparou. Donc ils ont intérêt à faire attention, calmer le jeu. Sinon, ils risquent de terminer le match à 10. Parce que ce lamin-gomme que j'ai vu là, il ne badine même pas sur certaines fautes. Alors la partie va reprendre son cours normal. Le coup de sifflet de l'arbitre est parti. Ballon dégagé. Coup franc. Coup Trop de fautes commises, hein Trop de fautes commises par l'équipe d'Engaparou. Trop de fautes commises par l'équipe d'Angaparou depuis le début de cette rencontre. Attention. La sortie du gardien. Heureusement, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut faire attention. Ballon rapidement joué. Attention à cette contre. Il ne passe pas. Abdoulaye Diallo sur le côté gauche qui va travailler son vis-à-vis. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre mine Gomme. Alors qu'il y avait Alors qu'il y avait quelque chose, attention. Et c'est dans les bras du gardien. Le gardien que je vois là, il est très serein. Il me semble que c'est un excellent gardien. Ah oui. Ce gardien-là, il est lucide, il est calme, il est serein. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas été encore inquiété, mais il me semble que c'est un excellent gardien. Vu de son taille et son poids. vont essayer, ils vont s'agripper pour le moment sur leur maigre avance. Les joueurs de Kherou qui vont s'agripper sur leur maigre avance. Attention, ballon dégagé sur le côté gauche pour Ngaparu, euh, Ngaparou. On cherchait le capitaine. Ça joue bien, ça joue bien. Attention, le ballon est sorti. La touche est partie. Touche. C'est une touche pour l'équipe d'Angaparu Ousmane Samba Ousmane Samba. Sheriff Ning. Et le gardien qui sort. Ça joue bien. Attention. Attention dans la surface. Qu'est-ce qu'il va faire Coup franc. Ah oui. C'est un coup franc. <coughs> Rapidement joué. Sheriff Ning, le capitaine. Pour qui Mamadou Sarr. Mohamedou Ça joue bien. Eh, c'est Amadou Samb. Attention. Cette touche. Et que pour le moment, on joue la 35e minute et qu'on s'achemine vers la fin de cette première période. Toujours 1-0 pour euh, Kherou Fadjar, Seydina Issa line-bang, long dégagement, la balle qui tombe au niveau de la circonférence du terrain. Ça joue bien. Attention à cette balle de contre. Attention, il va frapper, non Qu'est-ce va faire Oh Ojo Au jeu de position. Au jeu de position. Attention. Attention. Attention. Le ballon va sortir en touche. Et c'est au profit de l'équipe Parou. Après 37 minutes de jeu joué, Attention. Hmm. Seydina Mundoy, l'auteur du premier but. Seydina Mundoy dans la surface de réparation. Attention. Il y avait une faute que l'arbitre, c'est vrai, n'a pas vue. Il y avait une faute, mais l'arbitre ne l'a pas vue. kaay fii daa ma jox la ñëwal maa déggal tubaab rek ñëwal attention Ablaye Diallo le capitaine Sheriff Ding. ballon retourné en arrière c'est dangereux. Mamour Diagne, le numéro 17, non. c'est Ning qui va perdre cette balle, non. Il la récupère. Attention. Les esprits commencent à s'échauffer dans les gradins du côté de Les supporters de ils ne sont pas contents de la décision de l'arbitre. Je pense que l'arbitre devait laisser l'initiative du jeu continuer et ne pas siffler, revenir sur ce coup franc. Attention, c'est parti. Une bonne défense, hein. Faute de main. L'arbitre ne dit rien. Une faute de main dans la surface. L'arbitre ne dit rien. Il y avait une faute de main. le une balle introduite. Il n'y a rien, il faut jouer. Il faut jouer. Attention. Mauvaise passe. Attention. Ça, c'est dangereux. Attention. Attention. C'était dangereux. C'était dangereux pour la défense d'Angaparou. Il ne faut pas jouer avec le feu dans la surface de réparation. ne faut pas jouer avec le feu dans la surface. Il ne faut pas jouer avec le faux dans la surface. Et là, plus de peur que le mal finalement, le gardien s'est relevé. Finalement, le gardien s'est relevé. Attention. Le gardien qui va dégager. Une balle qui va sortir en touche. Mohamedou, Koufran, À une minute de la fin de cette première période, Toujours, c'est Khairou Fadjar qui tient le bon bout. Attention à cette paire de balles. Attention à cette balle de compte. Attention. Il y avait une faute, l'arbitre ne dit rien. Il faut jouer. Il faut jouer. Attention. Ning, Sheriff Ning. Pour qui Hassan Sek, Sheriff Ning, Hassan. Bousculé. Et c'est un coup franc. Ballon rapidement joué. Il faut revenir là où la faute a été commise. Ah oui. Ousmane Samba. C'est joué Les 45 minutes viennent d'être bouclées. 45 minutes. Une minute de temps additionnel. Vous le voyez de l'autre côté, une minute de temps additionnel. Et c'est presque la mi-temps ou bien la pause pour cette rencontre âprement disputée. Voilà, l'arbitre vient de mettre un terme à cette première période qui voit l'équipe de Ngaparou mener ici au stade Ibamar 1 à 0 grâce à ce but marqué à la quatrième minute par Sidina Limamundoy à tout à l'heure. gis ngeen euh, ni ma leen ko waxee woon rek instant bi mi-temps nañ ci match bi nga xamante ne moom moo dox diggante ASC Ngaparou ak ASC Xeeru Fajar instant bi nag ASC Xeeru Fajar euh, moom moo dooragum un but à zéro lii di ASC Ngaparou lépp ci deuxième journée yi ah. instant bi nag ñu ngi taxaw ak support kenn ci supporteru ASC Ngaparou ma bàyyi ko mu nuyoo ba pare wax ñu impression am rek euh, ci match bi. asalaamaaleykum ah, maa ngi nuyu ñëpp dafay ñëpp parce que instant ay péré maam ngañ saam. instant pression match bee ma jàpp quoi oui mais xam naa deuxième mi-temps dina am changement quoi ñu ngi yaakaar daal waaw. pression bee la jàpp yow daa mel da ngaa tiit yow kon joueur yi nan la ñu def. oui parce que dafa metti si man quoi frontière la dëkk ñi may àndal yëpp laa leen dëkkam kon foog mu metti si man quoi. kon match bi tey dañ ko war dóor mooy yoon quoi man match bi buñ ko dóorul rek mooy loolu quoi. wala yow bi nga ñëw da nga defoon sa bopp ne yéen a war a dóor waa xeeru fa. dañuy dóor moom loolu laa gëm te moom laa gëm ba tey match bi mu ngi daw. te jeexagul quoi lu ne xaj na si quoi. waaw dëgg la parce que un but lañ leen dugalagum instant ñu ngi a dugg deuxième mi-temps am nga yaakaar ni euh, di ngeen euh, seen dina gën a baax ak itamit war ngeen mën sax wala ba daal di dugal gañ a gaay. waaw mais léegi bu ñu changé rek comme première mi-temps ni ñu baaxul mais deuxième mi-temps am nañ yaakaar kon te ko. di ko coach bi wax na dina am changement affaire yooyu quoi. premier mi-temps baaxul lu ñu footballé lu ci baaxul mën nga ñu kox wax. baaxul joueurs yi day dañuy dajaloo quoi tasuñu quoi ok. am nga yaakaar dina changé waaw deuxième mi-temps moom am nañu Samba. Ah. Ngagne Samb ñu koy jaajëfal moom kenn la ci supporteru ASC Ngaparou dégg ngeen ay kàddoom xam naa ñu xooli rek euh, yeneen réaction ak yeneen supporter batay ñu ngi tok ak benen euh, supporter ASC Ngaparou mom dama koy baye mom itam mu nuyo rek wax ñu mom moy kan ak naka la dundé match bi rek. waaw maa ngi nuyu ñep téléspectateur yi sétane Yoff mbolo yep match bi moom instant yi mom ñu ko dundé metti na torop na te ñun lañ mëneegul 1-0 dañ bëgg réagir pour mëna égaliser pour mëna marquer wat bien mëna jël ndam waaw. gis nga ni yow noko jangate jàngatee joueur yi ñoo def lu ñu wara def wala yow noko noko xalaté

non du yoon sax boo bokku sax si wàllu football. waaw dañu gis ne tamit yow supporter nga gis nañ ñeneen ñi yi ci premier mi bi am na ñoo xam ne xaw ma seen i ramatangoon xaw ma saaga yeeg yooyu noonu gis nga am na GMA yu jot a yéeg di wàcc ay gars yow noo jàngatee loolu ak lan ngay ñaax sa yeneen moroomu supporter yi. xamoo nit ñi moom bari nañ torop te wuute nit ku ne ah lii nga xamante ne mooy lii ne sa xol te tamit amaana amaana man ni ma mel melu ma wax keneen yàlla dafa ñii gis nga stade bi ñi fi nekk ñëpp. nit ku ne yamula sa morom moo tax ma damay ñaan suma morom yi fi ne rek ñu ànd yara yar ak teggin yar moom lu mu lu mu lu mën la may mën la ko xëy. te ay moom jaru ko amaana boo togee rek yàlla li xamante ne mooy liy gën si ñun dina ko def te moom la ñuy ñaan yàlla ñu égaliser marqué beneen jël ndam la. li may wax saa su rek yeen ku ci gagné yof ngay ñibbi ku ci gagné tam yof ngay ñibbi bi ngeen di genn yeen ñep yof ngeen genné kon yaakaar na ni euh, ñaawo bi dal jaru ko ah, ah ñëw jaru ko de jaru ko de nata ñun ñu yëpp yoof lañ dëkk te ndam li moom gennul yof ndam li moom génni wax ko waaw amna ci si yaal yàlla si yàlla may ndam rek Baye liman Baye Elimane Baye eliman keneen ci supporteru ASC ngaparu mom tam de ngeen ay mo waaye duñ def lu dul di ko ñu dem rek xol

bisimilah maa ngi nuyoo Laay Maxtaar la ñuy nuyoo ñun waa